votre application CNNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale. Je vous attends, mes aînés, je vous attends. Je vous attends. Oui. Oui. Je vais en profiter aussi. Parallélisme des formes oblige Amadou Sall d'oser l'avenir. Chers amis, chers amis, aujourd'hui nous sommes là pour une seule cause. C'est la cause, c'est la cause de la victoire du président Amadouba qui doit se dérouler le 24 février. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Nous voulons cette victoire, cette victoire du 24. Nous voulons cette victoire du 24. On ne vous entend pas. On ne vous... On ne vous... Les amis, les amis, nous avons des réalisations, nous avons un bilan, on ne peut pas l'énumérer parce qu'il est énorme ce bilan. Nous avons un bilan pour les jeunes, nous avons un bilan pour les femmes, nous avons un bilan pour la ville, nous avons également un bilan, un excellent bilan pour la campagne, moi qui suis issu d'un village. C'est la raison pour laquelle je vous le dis, je vous le dis aujourd'hui, nous devons gagner avec 64%. y gagner, y gagner avec 64% s'il vous plaît gagner. Merci beaucoup, merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, on est là pour la victoire. La victoire. Merci beaucoup, monsieur le ministre du meilleur camarade Merci à tous les ministres. Merci à toute la délégation. merci beaucoup.

le candidat Benno Bokk Yakar coalition candidat Benno Bokk Yakar premier ministre Amadou Ba Jare Jof mi ñëpp fulaar yi teddungal daasetaake roondete jam woodini mila candidat men Monsieur l'excellence monsieur le président Macky Sall mo hooli itti teddungal totti pour le Sénégal, Fof, le cinquième président, le 25 février, Inch'Allah Rabbi. sama mbokk sarkul yi Amamogo, leen di wax ama bambari Amna am yu bari nationalité sénégalais ñu ngi dund fii ñu ngi Mariani sénégal fa kele ba kele candidat à toho Amodouba, à a sénégal inchallah ni allah sona le 25 février Ambe voté la candidat amadou Nous voulons que le meeting dernière de ce soir vous conduise à la victoire le 25 février 2024, Monsieur le Premier ministre. Et pour cela, camarades, on a besoin d'unité de rassemblement. Unité de rassemblement parce que c'est le gage de la réussite et du succès. Parce que nous avons un candidat sérieux et compétent. Sérieux et compétent, travailleur, unificateur, rassembleur, Amadou Baï ici présent. Il réunit toutes les qualités c'est la raison pour laquelle le président Macky Sall l'a désigné candidat de notre coalition. Avec l'ensemble des mouvements de la majorité présidentielle, nous allons le porter au palais Inch'Allah rabbi. Et comme le disait Nelson Mandela, c'est toujours impossible tant que ce n'est pas fait. Je vous ai qu'à partir de ce soir, camarades, que ce soit fait, que ce soit possible, car Amadouba le mérite. Il le mérite pour nous-mêmes, mais aussi pour le pays. Parce que le pays attend un homme comme lui pour le diriger derrière le rassemblement de toute la majorité présidentielle. Merci à vous tous d'être venus. Rendons grâce à Dieu. Merci à toute sa délégation. Bravo à tous. Merci beaucoup. a, votre application CNNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.